Plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. tey li point de presse Moi encore dañuy fistiser attitude état du Sénégal envers les impacts du terre. lorsqu'il s'agit c'est d'aller en commission de conciliation nous sommes dem commission de conciliation Nous avons ak ñoom di mais c'est comme si état du Sénégal daf ñuy comme si état du Sénégal respectait wuñu

ñi ci les ci ñun fu mu ni, xamatu ñu lu def parce que nous repère ci endroit yu dëkk ñu ci bari ci ñun sen doom yi encore une fois dama koy répéter parce que instant bi bañ leen déplacé ñu dëkk fu sori amatu école yi ñu inscrire sen Nous ñu dugg ci. ñu ci bari ci ñun fu mu ñu sax déplacer wu parce que ak xol bu nakari ñu ci bari ci ñun ay commerçant la woon ñi ngi doon yor ay ay ay ay place d'affaires doon liggéey ci endroit yi ñu dëkkoon liguey tuñ ko amatuñu xaalis fenn ben source de revenu donc ñuy déplorer li nga xamni ne tey nakar la état du Sénégal tek ko ses impacts du terre on se dit qu'on ne va pas se laisser faire on ne va pas se laisser faire parce que état du Sénégal nénañ dañuy dawal sen terre le 24 décembre Il leen terre bi du daw gëmuñu loolu leen wax avertir nañ on lance un appel à l'opinion nationale internationale que terre bi du tant que nous wuñu suñu problème à savoir à savoir nos terrains nos sites de recasement à savoir le, prime de l'accompagnement social vulnérabilité les pertes de revenus locatifs nga état ba même au sein des commerçants il reste des commerçants à qui donc tous ces problèmes là nous bëgg dawal terre ils vont ils vont passer sur ce cadavre mais le terre ne va pas rouler Nous avons un point de presse Nous avons acte 1 acte 1 le 12 novembre le 12 novembre nous avons place de la gare en face de la gare Dakar Nous avons gare Dakar Sénégal bi sympathisants tous les impactés du terre toute la banlieue le 12 novembre ci heure de prière nous ñu jullee ko ci port nous jullee port nous ñu de qui ci de Dakar Nous avons un sitting sitting bi que ñu autoriser nous que ñu on va le faire Nous nous ñu nous que ñu autoriser on va le faire si s'il nous empêche de faire le sitting le jour là on va marcher vers le palais Inch'Allah. Lolo il faut que ça soit clair danañ ànd ak suñuy papa parce que instant bi ay personne de troisième âge ngeen fi gis ñu taxaw te ku si nekk ay njaboot pas yor kenn du sont sa papa de se toroxal donc est à bon de salut. lenteur ça du côté de l'État du côté de l'APEX parce que tey jii ku la nee woon dinañ la jox ce terrain ba commencer de la jox ay notification imaginaire parce que pourquoi imaginaire moi dit tey ces notifications là si la terrain euh, Malika ça pose problème donc si on donne le camp militaire de Karaï, nous disons fa faut ñu fa dindi évolution c'est égal à zéro ils nous ont donné un site à Malika à La de 40 hectares décret lequel décret Nous l'avons publié dans le journal officiel donc espérons-nous que nous bi aménager ces sites là mais bataille ba bien sûr avec tous les organes les organes compétents d'intervenir di di et puis le président de la République euh, euh, au premier chef. parce que mënuñu wax il est au courant de tout le président de la République c'est lui qui nous avait dit que s'il y a des problèmes revenez me voir mais s'il y a des problèmes et que le président votre intervention il est fautif. à moins employé encore une fois ci trace terre bi ci tracé terre bi nous ragal de Nous bu daw daw bu on a toujours été voilà euh, euh, ñun nangu donc passif parce que am ben yoon bu ñu ñu lakk amul yoon bu ñu sax ñu boole politiciens wala ay activistes wala yu mel suñu combat bi en solitaire nous ci nous ñun rek ñun ñoo doon tok di waxtaan état di dem di rendre compte donc la base est fatiguée les vieux sont fatigués les femmes sont fatiguées le fait qu'ils se déplacent d'un point à un autre nous am transport pour nous, euh, à à nos réunions. kan nous sommes ko tek état du Sénégal pour des gens yi nga xamni ni dañoo liggéey ba am réussite réussite moy lan nga am sa tu es devenu locataire nga am sa kër ba État du Sénégal, Dieu cœur, le Est-ce que c'est normal Est-ce que nous sommes dans un pays de droit Est-ce que Gardner Nguyenek fait 100 000 logements alors que nous avons eu un logement Il nous parle de 100 000 logements. Vous pensez que c'est normal Nous sommes plus de 250 000 personnes, 3 000 familles touchées par le train. Chaque famille, j'ai vu une famille où il y a 100 personnes dans une même famille. Donc c'est beaucoup de monde. Les gens sont fatigués. Il faut que l'État s'arrête il faut que nous bàyyi nous ñuy def il faut dilatoire bi Ce c'est pas normal li nga xamni ne taxawal nañ ko wala ñu def ko ci ci terre bi ñi c'est des sénégalais comme nous ñun ñëpp ñoo bokk yam ci droit on pouvait empêcher que nous libérer les emprises on pouvait le faire on a les moyens de le faire mais on a été conciliant conciliant jusqu'à présent ils n'arrivent même pas à nous donner nos terrains pourquoi